Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance et merci de continuer à vous abonner, merci également de vous laisser les commentaires, merci surtout les gars de laisser vos suggestions. Nous allons parler aujourd'hui des numéros 10 du Sénégal, notamment de deux numéros 10 du Sénégal, Khalilou Fadiga et Sadio Mané. Khalilou Fadiga les gars, si on parle de Khalilou Fadiga, Khamgen quoi, c'est la légende du football sénégalais, c'est l'homme de la génération de 2000, de 2002 également, la Coupe du monde on se rappelle avec Khalilou Fadiga, Khalilou Fadiga également nga xam jamono Gaël Niwa, Nini quand est-ce qu'on aura un Khalilou Fadiga et Khalilou Fadiga lui il est revenu sur ça il est revenu sur le statut de numéro 10 waxna ci li rôle numéro 10 et Khalilou Fadiga c'était dans un entretien qu'il qu'il avait accordé à un quotidien sénégalais il est revenu un peu sur le rôle du numéro 10 mais également sur la situation de l'équipe nationale du Sénégal et de Sadio en particulier Khalilou Fadiga euh, j'ai longtemps longtemps entendu dire qu'on a besoin d'un autre 10 comme Fadiga. On a besoin d'avoir un autre 10 qui joue et qui a le même profil que Khalilou euh, Fadiga. Aujourd'hui également, le rôle du numéro 10, c'est un joueur Bohamne. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit être également le lien entre la défense et l'attaque. Donc, le numéro 10 de construire Jobi. Il doit également être assez mature. Il doit également beaucoup plus privilégier les autres, l'équipe, que sa personne. Il doit être un joueur Bohamne. qu'il doit indi, jouer équipe euh, avant ça moom muy dugal li ma xalaat mooy di mën jouer l'équipe. équipe aujourd'hui quand il voit l'équipe nationale du Sénégal il sait que aujourd'hui sur le plan offensif ay joueurs ils sont capables de faire la différence maintenant le numéro 10 boo Fadiga nee euh, c'est à l'entraîneur c'est également à l'équipe de trouver un joueur boo xam ne tey moom mën rempli profil bobu nee gis na équipe nationale Sénégal donc euh, par rapport ak euh, limu am par rapport potentiel am mën nañ am jour mel mais loolu dafa nek lo aussi dañ koy liggéey dañ koy préparer entraîneur bi moo koy def ci mom ñu préparer jour bo xamné day jouer comme Khalil Fadiga il le faisait et quand on dit Khalil Fadiga première idée bi gars di am ci ses passes lumineuses mais également son gauche euh, sa passe sa patte gauche magique mais carrément magique magique Khalilou Fadiga aujourd'hui qui est ambassadeur au niveau de la CAF Khalil Fadiga également qui est aussi aujourd'hui une légende dans le football euh, africain dans le football mondial dans le football sénégalais malheureusement Karim Dafagat dafa pas ndax problème cardiaque mais Khalilou Fadiga est un monsieur qui est respecté et qui a toujours apporté aujourd'hui beaucoup de qualités sur le jeu de l'équipe nationale du Sénégal notamment si c'est une génération parce que bu Sénégal on parle de la génération de Khalilou Fadiga et également d'autres joueurs mais football du Sénégal da Sénégal qui ci Khalilou Fadiga et aujourd'hui nee Sénégal par rapport à li am comme potentiel nous ñoo chercher trouver joueur bu c'est à l'entraîneur également créer joueur bu euh, mettre à disposition équipe am joueur le jouer tax qui wax ci Sadio Mané Sadio aujourd'hui c'est un joueur il est pétri de talent mais Nena Sadio c'est l'un des meilleurs joueurs sénégalais de tous les temps l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui Sadio Mané il faut également taillé y a ay qualité il yo yoo aussi daf ko wala améliorer mais au fil des temps Sadio tay expérience une am maturité il am dina tax mu mën a egg ben stade bi et que aujourd'hui donc euh, Sadio Mané euh, pas forcément du on est Sadio Mané na changé si ni muy parce que aussi ko nek am nga no jouer mais aujourd'hui Sadio Mané également il a la capacité de jouer le rôle de numéro 10 d'être le lien entre la défense et l'attaque nee également loolu disposition yo ko c'est des dispositions yo xam entraîneur boo ci tek c'est également des dispositions aussi équipe de manière globale mais également c'est aussi un peu de charisme de mental voir xamné aujourd'hui tay Sadio Mané imposer équipe aussi entre temps bon on voit que Sadio Mané il s'améliore de jour en jour et il peut apporter ce plus maintenant si on lui, a, demandé aussi par rapport à cette interview, ndax aujourd'hui, il serait ouvert à conseiller Sadio Le jour où Sadio viendra me voir pour me demander des conseils, ce sera avec beaucoup de plaisir que je lui donnerai quelques astuces par rapport à comment on doit jouer un numéro 10. Donc aujourd'hui, il a donné son avis. Maintenant, par rapport aussi au Sénégal de jouer, est-ce que Daniel war joue jouer comme meneur Bataille, parce que aujourd'hui au niveau de Liverpool Sadio ne joue pas comme meneur il joue également comme excentré euh, attaquant bien entendu d'accord il joue sur les ailes donc mais Nana na potentiel tout dépend maintenant aussi de la du dispositif tactique dispositif technique mais également du style de jeu que le Sénégal doit mettre en exergue maintenant on a beau parler de euh, que remplacer Khalil Fadiga mais jusqu'à présent on a ce problème on a même un problème pour avoir un gaucher dans cette équipe au niveau sur le plan offensif donc tey une milieu de terrain gaucher attaque bi gaucher donc entre autres mais dafa nek lo c'est un peu également des qualités qu'un attaquant doit avoir lui en tout cas il croit au Sénégal il croit à Sadio Mané il sait que Sadio a le potentiel maintenant il demande à l'équipe à l'entraîneur de pouvoir mettre en place un, joueur qui puisse permettre à l'équipe nationale d'évoluer comme tel en tout cas gars c'était les informations du jour à, vous maintenant de donner votre avis merci de continuer à vous abonner merci de way like